Il est fou sur la scène. Il répond au nom de DJ Machinga, Dondi la machine, ton frère, te souhaite la bienvenue. Merci, merci Dondi pour l'invitation. Ça fait réellement plaisir en tout cas de passer sur le plateau de, Studio Klangou et dans l'émission Tous à la Fada. C'est une première fois et merci beaucoup. Euh, on va donc permettre aux jeunes qui nous kiffent un peu partout euh, de savoir qui tu es. Véritablement, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, s'il faut résumer DJ Maitchenga, en une minute, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'artiste, euh, de l'animateur et du blogueur À l'état civil, on m'appelle Ibrahim Hamidou, a.k.a. DJ Metchenga. L'homme est né en 13 février 1985. Euh, je suis parti à l'école, mais je ne suis pas parti très loin à l'école. J'ai juste un niveau troisième, voilà. après, j'ai je me suis payé quelques formations, voilà, Un euh, en montage vidéo un peu. Je sais un peu monter quelques vidéos. Je suis un peu cadreur aussi quelque part parce que tout ce qui est mariage, cérémonie, je fais aussi des images. Euh, vers 2002, je pense bien, on a commencé à rapper parce que le mouvement hip-hop s'est installé un peu à Niamey, au Niger. C'était de la nouveauté. On avait un peu la matière grise et on s'est lancé dans la chose avec quelques camarades, euh, stylo Abakar. On appelait notre groupe en ce moment Mazandaga dans les années 2002. Voilà, en 2003, on a pu enregistrer un prix maquette qui avait marché. Mungawasa, je me rappelle bien. Et il a fallu, après le groupe, ça ne va pas, tu, les groupes se sont dispersés, voilà. Mhm. C'est un phénomène qui a fait beaucoup de groupes qui se sont disloqués. Mais ben, nous, j'ai continué ma carrière en solo, on m'appelait La Santos, j'ai pu enregistrer mon premier single en décembre 2005 avec Peto. Avant, avant qu'il ne parte euh, aux États-Unis, un son qui parle sur euh, le travail des enfants. Euh, je disais dans le son Alpes au travail des enfants. Le son a été clippé en juin 2006 et le son a cartonné un peu partout, à Le son a eu à passer sur RFI, je ne sais pas, une ou deux fois. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, DJ Maitinga a.k.a. Santos, a.k.a. Ibe, <laughs> était aussi artiste, hein, comme il l'a dit en 2005-2006, il a commencé. Alors, on va parler justement de cette carrière artistique dans cette émission. Qu'est-ce qui t'a amené dans le chant Qu'est-ce qui t'a amené à rapper à la base, j'étais réellement un homme culturel depuis l'enfance parce que en classe de CE11, CE2, je partais même au CFM. J'ai même commencé à apprendre de la guitare avec John Sofa. Après, j'ai arrêté. c'est pas aujourd'hui cette histoire C'est pas aujourd'hui. Donc, j'aimais trop la musique et ah. je me suis lancé dedans. voilà. Waouh, super. Alors, on sait aussi qu'à un moment donné euh, de l'histoire, l'artiste euh, s'est donné d'une manière ou d'une autre au monde euh, de l'animation. Mhm. Parlons un peu de la radio, parlons un peu de la TV, parlons un peu de tes débuts, de comment est-ce que tu as commencé aussi. C'est important de mentionner sur cette émission. je faisais la radio avant même d'être animateur sur scène. Voilà, l'histoire a débuté aussi, je ne sais pas c'était quelle année, où... Ou j'amenais deux radios. Tu vois, non, il y a les trucs où tu écoutais la euh, FM et il y a là où tu mets rec et puis tu mets une cassette, voilà. Et il a fallu, je sais pas, c'était quelle année, il y avait la radio Kakaki. Tu, te rappelles de Kakaki qui cherchait un animateur, j'avais déposé euh, mes dossiers là-bas. Ils m'ont pris, mais malheureusement, la radio n'a plus fonctionné avant même que je commence. Et après, là, il y a eu l'ouverture de la radio communautaire de Bukoki mhm. où j'ai commencé réellement et ensuite, j'étais sur euh, euh, après le départ de Castro, j'ai animé l'émission Midi Ambiance pendant euh, deux ans. Et récemment à la télé avec euh, la télévision Canal 3 Monde simplement. avec bien évidemment, euh, n'est-ce pas, cette émission qu'on appelle Affairage, 227. On va parler justement d'Affairage 227 parce qu'on sait aussi que tu d'une manière d'une autre hein, l'animateur, hein, euh, vedette, euh, n'est-ce pas, de cette émission qui passe déjà sur ta page. Ok, d'accord, ta page Affairage 227. Alors, Affairage 227, de quoi parle véritablement cette émission à la base, en fait, j'avais voulu commencer l'émission en famille, mais il y a eu beaucoup de trucs, donc j'ai pas pu commencer. Je me suis dit, mais euh, je regardais trop, je suis présent sur les réseaux sociaux, je voyais des émissions qui se passaient. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer sur ma page mhm. Et voilà, c'est parti. Je prends mon téléphone, je rencontre Dondi, on fait une petite émission, mhm. j'enregistre avec mon téléphone, je me fais le montage avec le téléphone et je publie. Mhm deux, trois émissions, j'ai vu les gens sont partagés, beaucoup ont aimé. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas continuer Et voilà, j'ai fait euh, pas mal d'émissions, j'ai rencontré pas mal d'artistes, pas mal de blogueurs ou ceux qui font réellement le buzz. Le but de l'émission, c'est un truc de 10 minutes, parler de l'artiste, faire la promotion de l'artiste faire connaître l'artiste et faire connaître aussi les projets de l'artiste et un peu de délire, tout ce qui se raconte autour de la chose ou bien tout ce qui se raconte sur l'artiste, sur les fadas. Euh, j'entends et je pose la question. L'artiste réellement il donne la réponse. Donc ceux qui pensent que Dondi, il y en a des Kay voilà, Dondi va répondre. <laughs> Dondi va des Kay donc tu vois, ils auront, réellement la réponse quoi, directement. <laughs> Tout à fait, je vois. Et alors DJ Matinga, nous sommes pratiquement donc à la fin, eh, bien évidemment de cette rubrique. Euh, et j'espère aussi que les jeunes qui kiffent cette émission à travers euh, nos radios partenaires ont retenu un certain nombre de choses, ok, d'accord, une certaine euh, information sur l'homme, l'acteur euh, culturel, l'animateur, l'artiste, euh, l'homme qui touche donc à tout, comme on dit. Alors, s'il faut résumer pour dire un truc à l'endroit de cette jeunesse qui nous kiffe, alors quel serait ton mot pour qu'on puisse ensemble changer les choses, pour qu'on puisse ensemble faire sortir le nom du Niger via la musique, l'art, en mot. Euh, je pense que, en un mot, Babukwana, la jeunesse doit se réveiller, donc euh, travailler. Tu dois avoir l'amour de ton pays, être un vrai patriote et vendre l'image positivement de ton pays à l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez certainement compris le message de l'artiste. On espère que tout ce qu'il vient à l'instant de dire n'est pas rentré dans l'oreille du sourd commandé. C'était donc DJ Maichinga. Moi je l'appelle Santos. <laughs> Vous pouvez l'appeler Ibrahim. Sur l'artiste s'exprime l'angle 1. Ce que la donne qui va changer. DJ Maitinga, tu peux me faire le check qu'on est des frères. Et...